Après cinq jours de captivité, Abou Soufianou a été libéré contre le paiement d'une rançon de 3 millions de francs CFA. Le grand frère de la victime, qui a payé la rançon et qui a requis l'anonymat, préfère ne pas porter plainte. Je laisse à Dieu tout ce qui nous est arrivé parce que même si on se plaint, personne ne peut nous défendre. Payer la rançon reste la seule solution pour relâcher la captive. J'ai payé 2 millions de Nera dans cette affaire et je ne pourrai pas continuer cette activité dans ces conditions. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils n'arrêteront jamais tant qu'ils vont gagner de l'argent. Pour libérer Sufianou, il fallait trouver un volontaire pour remettre l'argent au ravisseur. Cette tâche a été dévolue à Kabiru, l'apprenti d'Abou Soufianou. Il explique comment il a pu remettre l'argent au ravisseur. J'étais au téléphone avec eux depuis Gourbi jusqu'à notre point de rencontre. Une fois l'argent en main, ils ont compté et après, ils ont relâché notre homme. Ils étaient trois armés et c'était en forêt dans le Nigeria. Je ne dirais pas que je n'ai pas eu peur, mais j'étais convaincu d'une chose. Tant que tu prends en témoin Dieu, rien ne t'arrivera. Cette histoire ne sera jamais gravée dans la mémoire de Yahouza, compagnon d'infortune d'Abu Soufiane, au moment du rapt. Il témoigne. Je retournais le dos quand j'ai vu trois personnes sur une moto avec des armes. Ils nous ont demandé la provenance du véhicule nous avons dit Maradi. Ensuite, ils nous ont demandé qui nous a donné l'autorisation de venir. Réponse que je n'ai pas pu donner parce qu'ils venaient de charger leurs armes. Ils disaient qu'ils allaient tuer cinq personnes, relâcher deux et capturer le chauffeur. Dans ma fuite, ils ont tiré plusieurs coups de feu sans m'atteindre. Quelques instants après mon arrivée à Garin Ali, un bûcheron disait qu'ils ont tué une personne qui s'avère être mon ami. Dépassés par les événements et ne se sentant plus en sécurité dans la forêt, les chauffeurs des camions de bois ont décidé à travers une réunion de suspendre toute activité jusqu'à ce que leur sécurité soit garantie.